Wali Balago Ramdan le 20 janvier au Grand Théâtre nombre de places limitées da ngeen les réserver 78 114 47 47 le 78 167 67 80 kon soirée nouvelle en Bangkok le 20 janvier lu Grand Théâtre Kangi production Wali ak Kanji Ben nit production.